Wala donk, bonjou da tous Eee, mouni sou mouni Mouni noujou di Eee, mouni sou mouni au niveau de cette salle. Euh, nous, en tant que collectif pour l'amélioration des conditions sociales, des licences du personnel, de la sauvegarde et de la défense donc des travailleurs de l'hôpital Aristide le Dantec. Euh, je dirais même que le but de cette sortie a été motivé le plus pour euh, éclairer la lanterne des Sénégalais. Parce que si vous vous rappelez bien, le 4 du mois de juillet passé, on a eu à faire un point de presse. Et sur ce, on a senti un mutisme venant donc des autorités administratives et sanitaires. Maintenant, par rapport au projet concrètement dit, parlant de la reconstruction de l'hôpital Aristide Dantec, je dirais que dans l'annonce du président de la République, nous tous, on a appelé à une pour dire que c'était un projet qui est venu à son heure. Mais nous avons eu des interpellations à se poser, à savoir le devenir du personnel. Je dirais même, pour rapport à ce projet, ce projet a des avantages, bien sûr. Parce que ça va permettre aux patients qui devait être référé dans la sous-région d'être pris en charge ici in situ. Ça va permettre aussi au personnel qui est là au niveau de l'hôpital de pouvoir bénéficier donc des capacitations, que ce soit à l'étranger ou bien ici dans le pays. Donc sur ce, nous disons au président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Macky que nous avons salué l'initiative et l'engagement qu'il a voulu pour reconstruire cet hôpital qui est l'hôpital centenaire. Maintenant, par rapport aux impactés, bien sûr, je dirais que nous avons des impactés, parce que nous avons des soucis et on se pose des interrogations à savoir que l'hôpital, donc, englobe donc, personnel donc, de diverses catégories. À savoir, nous avons des universitaires, nous avons des étatiques, nous avons des agents municipaux, nous avons des prestataires, nous avons des agents contractuels de l'hôpital et des agents contractuels du ministère de la Santé. Mais là où il fallait maintenant poser notre doigt, c'est par rapport à ce personnel prestataire. Parce que c'est un personnel à qui on les a alliés au contrat à durée déterminée. Si on voit de l'autre côté un camp qui plaît vraiment pour le foncier, je dirais que les idées diffèrent. Parce que nous, nous devons mettre le focus par rapport à ce personnel-là, qui est inquiet, qui se pose une équation chaque que je fasse pour maintenant donc statuer par rapport à leur sort. Et là, je précise bien et bien que il y a un séminaire qui a été tenu au Business Center et les conclusions ont révélé que par rapport à ce séminaire, que à l'unanimité, tous les participants qui ont participé à participer à cet atelier avaient adhéré à ce projet de l'autre côté, il va falloir noter qu'il y avait des amendements qui ont été émis. Et tous ces amendements ont été pris en compte. Autrement dit, il y avait des services qui devraient, être, qui sur le plan, alors que l'architecte n'avait pas pris en compte. Et ces nouveaux services, c'est-à-dire ces nouvelles créations, ont été pris en compte par, par l'architecte. Maintenant, euh, Parfois, les gens posent la question est-ce que l'urgence est là de pouvoir maintenant reconstruire l'hôpital à recycler d'Anton Mais nous tous, nous devons dire oui. Pourquoi oui Un hôpital donc centenaire, comme je l'ai dit, qui a fait de plus de 100 ans, où le risque est là, deux mois à l'autre, sur une dalle sa Donc, qui va prendre la responsabilité Donc, c'est à lui de faire ce plaidoyer à l'égard de ces autorités, de dire que c'est un hôpital qui est vétus, qui demande vraiment d'être reconstruit. Et par là, je pouvais dire à l'État, dans un premier temps, que nous, notre premier plan, c'est de procéder au système de phasage. La partie qui a été réservée aux bailleurs financiers, que cette partie ne soit pas touchée c'est-à-dire, les services qui résident, et continuent leurs activités. Et les autres services, si on peut, les redéployer dans les autres hôpitaux, dans ce cas-là, ça va permettre la continuité des services. Et en outre, tout ce que je voulais dire par là, pour dire que, pour appuyer ce plan B, ce plan A du moins, parce que l'hôpital Aristide-Le c'est un centre hospitalier universitaire, donc qui reçoit plus de 500 paramédicaux par an et beaucoup plus de médecins et aussi les baisses qui sont à la spécialisation. Donc c'est la raison pour laquelle procéder à ce plan A donc, serait euh, judicieux pour tout un chacun. Maintenant pour le plan B, pour revenir au plan B, c'est de dire à l'État du Sénégal de nous donner la bonne information parce qu'il y a le personnel qui nous interpelle par-ci par-là. De nous dire que, à défaut de pouvoir mettre en place ce plan A, donc essayez donc, de procéder à ce plan B. Ce plan B réside sur le fait de pouvoir redéployer le personnel dans les autres structures sanitaires en attendant que les travaux se terminent. Mais vous avez une équation. L'équation c'est quoi L'équation, c'est les salaires, c'est les indemnités. Et qui dit salaire, qui dit indemnité, donc dit obligatoirement la mise en place d'un fonds social. Et il y a des études qui ont été menées par rapport à ce fonds social. Et ce fonds social n'est rien d'autre que si on arrive à faire l'économie de nos recherches, cela va nous amener à 5 milliards durant les 24 mois. Et dans ce cas-là, ça pouvait vraiment répondre à l'inquiétude de ce personnel. Et une fois que l'hôpital sera reconstruit, donc cette personne-là va regagner cet hôpital-là. Voilà un le modo donc l'économie de ma présentation. ah nous nous ñun li fi dajale euh, ñëpp kenn ku ci nekk nga am ak leer ci sa bopp ci ne ñun kët lii moo ñu fi bàyyi li ñu fi jëlee kët tamit lii la premièrement question bi ci jiitu mooy lan moo sabab ñun ñu war a génn li sabab ñu war a génn mooy hôpital bi kenn ku nekk xam nga ne hôpital bu am téeméeri ak nangam la dafa màgget te ñëpp ànd nañ ne ñu tabaxaatal ñu ko comme son excellence le président de la République euh, de la monsieur Macky Sall ñu jëlee initiative boobu pour ñëw tabaxal ñu hôpital bi beneen poñ bi ci topp tamit mooy lan lañ xalaat ci projet bi nga xam ne si son excellence président de la République monsieur Macky Sall teg na ko ñun suñu xalaat mooy mu tabaxal ñu rek hôpital boo xam ne si dana méngoo ak jamono te buy tabax tabax euh, buy tabax hôpital boobu tamit ñun lépp loo xam si foncier la wala lépp loo xam si dafa jëm ci ay architecture ñun amuñu ci sax maanaam kàddu ñun daal li ñu bëgg mooy nañu tabaxal hôpital bu méngoo ak jamono ba nga xam si bu ko tabaxee ba pare ñun ñu fiy liggéeyee ak ñu fi doon fajoo danañ ci gën a gis seen bopp beneen poñ bi ci topp mooy lan mooy avantage yi nga xam ne si euh, employé yi daan ko ci am avantage yi ñun ci bëgg ñun mooy am képp koo xam si employé nga ak catégorie boo mën a doon la nga doon am nga continuer di ko am durant ñuy tabax que ça soit muy salaire que ça soit muy motivation que ça soit muy allocation familiale ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp bëgg président dimbaliñ ci ba personnel bi di ko jot à temps kon ni ko doon jotee bañ tabaxagul beneen thème bi ci topp mooy ndax projet bi am na ay impact négatif impact négatif bu ci dee am day lañ cay xalaat mooy personnel bi nga xam si maanaam ay contractuel lañ yoo xam ne si maanaam euh, ay prestataire lañ euh, ak ñi nga xam si dañoo am ay contrat durée déterminée ay CDD donc ñun bu ñu wax rek lu négatif ñun ci ñoom lañuy xalaat bëgg a nag lépp nekk positif ba ki nga xam si moo nekk ca kaw am CDI ak ki nekk ca kawaat nekk ca état ba ak ki nga xam moom moo am CDD ak prestataire bi ñun ñëpp ñu bokk yem ci ne hôpital bi bu koy tabax duñ ci sacrifier benn mbindeef ñun ñëpp ñu jot liñ doon jot ba bu àggee ak jàmm tamit ñuy ñaanaat rituwaay yi fi doon liggéeyee ñu fexe ba dugalaat leen fi ñu continuer seen liggéey ba ku ci war a retraité dem retraite ah beneen bi ci topp tamit comme ni ko sama collègue yi waxee rek hôpital la boo xam ne si euh, universitaires yi yëpp fii la ñuy ñëw eggale fi seen njàng ci région bi ak sous région euh, ñu fi nekk tamit bi ay professeur ak ay médecins ak ñu fi nekk tamit di ay personnes administratives ñooñu ñëpp bëgg nañ ñu yemale maanaam ak prestataires yi prise en charge bi leneen li ci topp tamit mooy man nañ ne bariwul bari na mais bariwul parce que lu toll ne état bu fekkante dañ ne mën def level fonds social fonds ba ñu calculer ko salaire ak yooyu yëpp bu ñu moins de six milliards cinq milliards cinq cent kooku defe naa ne doon dara ci état kon donc ñu ngi ciy woo son excellence le président de la République monsieur Macky Sall mu lever ñu fond boobu ba buñ koy tabax suñu salaire ak yan doon jot ci ay avantages ñu continuer di jot te buñ tabaxee pare pare ñun ñu fi nekkoon ñëpp ñu delloo siwaat ñu ci hôpital bi ñu continuer exercer suñuy liggéey